Chers euh, auditeurs euh, et téléspectateurs des médias partenaires du studio Kalongo, bonsoir et bienvenue au Forum de la presse euh, de ce soir, le rendez-vous hebdomadaire de décryptage des faits saillants et marqué l'actualité de la semaine avec des confrères de Niamey. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité et qui ont retenu notre attention s'articulent autour du début mardi des épreuves écrites 2023 du brevet d'études du premier cycle BEPC. La suite du convoyage des candidats au HAGE 2023 et nous terminerons enfin avec euh, du sport et ce sera pour euh, parler de la finale de la 48e édition de la Coupe nationale de football du Niger et de l'acclimatation du MENA U23 au Maroc dans le cadre des préparatifs de la Cannes U23 qui débutera le 24 juin prochain. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir nos confrères Abakiari Arimi, journaliste à la radio alternative, Maimouni Gado, journaliste indépendante, et Hussein Issa Jubo, journaliste indépendant également. À la modération du Forum de la presse de ce soir, je suis Michel Deji. début des épreuves euh, écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC sur l'ensemble du territoire national mardi dernier. Ils sont plus de 140 000 candidats à se présenter dans 373 centres d'examen repartis dans les huit régions du pays. Dans le message qu'il a livré à cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale s'est réjoui du bon déroulement de cette année scolaire 2022-2023 qui s'achève. Selon professeur Ibrahim Natatou, chacun a mis du sien pour l'achèvement normal de cette année scolaire 2022-2023. Abokiagagemi, quelle euh, analyse faites-vous de ce déroulement de l'année scolaire 2022-2023 euh, euh, Merci Michel. Ce qu'il faut retenir, c'est que contrairement aux années passées, mmh. oui, bien sûr, qu'il y a eu une accalmie. Mmh. On espère que vraiment il n'y a pas eu de fuite. Pour l'instant, nous n'avons pas entendu dire, ce qui est une très bonne chose. Euh, il y a exactement un an ou un peu moins, euh, parce que l'année dernière, c'était un peu plus tard. Mhm. Euh, on a décrié qu'un pays comme le nôtre, n'est-ce pas, ne parvienne pas à organiser des examens mhm. par les enseignants, tout simplement, je veux dire par le ministère de l'Éducation nationale. Jusque-là, ça s'est fait sous contrôle euh, de, euh, la Alcia, mhm. n'est-ce pas Mais jusque-là, ça veut dire que euh, on se reproche encore un petit truc. Parce que hier, j'ai regardé à la télévision au Soudan, un pays en guerre vraiment, avec déplacement des populations et tout. Mhm. Hier, ils ont organisé des examens de fin d'année pour des, élèves du premier cycle, du secondaire aussi. Mhm. N'est-ce pas Donc, si ça peut se faire, dans un pays dans qui se trouve dans une telle situation, on doit pouvoir être à mesure, comme une composition, comme n'importe quelle activité traditionnelle vraiment de l'école, les faire sans quiproquo, sans vraiment attirer l'attention de qui que ce soit sur ces éléments qui sont élémentaires. De quoi on a peur, c'est qu'il y ait des fuites, qu'il y ait des tricheries, n'est-ce pas Autrement dit, c'est qu'on craint Et là. Euh, nos enfants, euh, on craint aussi qu'ils utilisent le téléphone pour tricher, tout ça. Hmm. Euh, si vous vous rappelez, quand on était jeune, mais en fait, on ne sait pas ce que ça veut dire fuite. Hmm. Sincèrement, moi, c'est à l'université, j'ai entendu, ah, c'est pas le terme fuite que je ne sais pas, mais que ça faisait allusion au, à la divulgation euh, des résultats euh, ou de, de, de, de ce qu'il y avait dans les enveloppes qu'on déchirait devant nous. Pour nous, mm. on avait confiance à 1000% et qu'il n'y a personne qui a vu qui qu'il soit mm. et qu'on découvre ça en même temps. Donc, il faut qu'on puisse revenir à ça, qu'il n'y ait pas de soupçons, qu'il n'y ait pas quelque chose cette année, c'est déjà une bonne chose. Mm. Que ça vienne juste vraiment à mi-juin, je trouve que c'est aussi quelque chose. Maintenant, est-ce que tout a été mis en Est-ce que c'est le déplacement des équipes qui vont dans les localités pour faire Avant, on ne se faisait pas corriger par nos enseignants. Bon, mm. il y a assez d'écoles aujourd'hui. On peut simplement changer les écoles et puis les enseignants ne vont pas corriger les dossiers. Mais même dans ce cas, un, enseignant peut pouvoir corriger même les, copies de ses, de ses élèves. Mm. Normalement, on doit pouvoir pas pouvoir même le soupçonner. Même si c'est son enfant, il doit pas, on doit pas pouvoir le soupçonner. Mm-hmm. Donc, j'espère qu'on tend vers ça que ça se fasse à temps, c'est bien, que euh, tout le monde aille euh, faire correctement ses examens, c'est bien, et on espère que d'ici l'année prochaine, machin, que ça va se passer vraiment le plus normalement possible, mm-hmm. que l'enfant euh, ait dans sa tête ancré que la tricherie, c'est la chose la plus grave qu'il puissent arriver à l'école. Voilà, et c'est une très, bonne chose. On souhaite vraiment euh, bonne chance à tous ces enfants. Justement, euh, dans le cadre euh, de cet examen, en vue de sa bonne organisation, le ministre en charge de l'éducation nationale a annoncé la veille même du démarrage des épreuves qu'il y a eu des mesures. Il s'agit de, justement de l'implication de la HALCIA. Il s'agit également du transport par voie aérienne des épreuves sur l'ensemble du territoire national avec une sécurisation systématique par les forces de l'ordre, l'interdiction justement des appareils connectés dans tous les centres d'examen. Une fois que les élèves sont en classe, euh, il leur est interdit de garder avec eux les téléphones portables ainsi que les calculatrices programmées, mais Mundiado, quels doivent être les résultats de toutes ces actions annoncées par euh, le gouvernement par la voix du ministre en charge de l'Éducation nationale. Euh, merci donc euh, Michel. C'est que tout ce que tu viens de dire à l'instant comme mesure prise par l'État pour le bon déroulement de ces examens du, de, BPC, e mmh. je me dis que c'est déjà une très bonne chose puisque de par les années antérieures, nous, savons comment euh, ces examens se déroulent. Mmh. Il y a toujours des petits problèmes qui sont relevés, soit avant ou après, euh, après ces examens-là. Mmh. Donc, pour pallier à tout cela, je suppose que le ministre n'a pas pris cette décision seul. Euh, la décision a été concertée. Et c'est une très bonne chose qui va permettre en tout cas de ramener les, candidats de, à fournir des efforts, si je pourrais le dire, mm. pour pouvoir réussir. Mm. Maintenant, qu'il n'y ait pas de fuite euh, en venant ici quand même, <laughs> j'ai, en tout cas, j'étais sur une plateforme euh, des enseignants mm. où, paraîtrait-il, au niveau d'Agadez, il y a trois enseignants qui ont été épinglés et quatre candidats. Hmm. Pour tout simplement la tricherie, comme on vient de le dire à l'instant, les fraudes. Hmm. Donc, ils, ils, vont comparaître devant le juge, hmm. certainement, puisque la procédure est en cours. Et Alcia est sur place pour pouvoir, euh, en tout cas, euh, faire en sorte que ces, trois enseignants et les quatre candidats-là puissent répondre de leurs actes. Il faut donc une communication pour qu'on comprenne de quel type de fuite il s'agit ici, parce que les fuites... Euh, euh, en fait, ceux qu'ils ont... C'est souvent la veille, mais là, à l'ouverture de l'enveloppe, il y a des enseignants qui photographient et qui envoient à d'autres. Euh, en tout, cas, ils, n'ont pas dit grand-chose mhm. sur ça, puisqu'ils disent qu'ils se retiennent de dire mhm. par quel mécanisme et par mhm. quelle méthode ces enseignants ont passé pour pouvoir, euh, avec ces enfants-là, mhm. ces, candidats-là, pour pouvoir tricher. Mhm. Donc, ils s'abstiennent de tout commentaire mhm. pour ne pas encore donner, euh, <laughs> donner donc, euh, des exemples pour que d'autres aussi puissent s'en approprier. Parce qu'on n'a pas encore fini avec des examens. Il y a les examens du baccalauréat qui sont là. Pour le lundi prochain. Pour le lundi prochain. Donc, il faut se méfier. Examen égale examen. Donc, Voilà. Donc, je pense que vraiment, et surtout quand on regarde, moi, je pense que même euh, les épreuves, les épreuves de cette année, même pas cette année, les années antérieures jusqu'à aujourd'hui, c'est des épreuves qui sont vraiment des épreuves simples, des épreuves parce qu'ils ont tenu compte du niveau réel de ces élèves-là. J'ai lu certaines de ces épreuves. On a l'impression que c'est les anciennes épreuves du cfep Oui, oui ont été... Parce que c'est des questions très simples. Très simples. Mhm. Très simples parce qu'ils savent que les élèves aujourd'hui n'ont pas un grand niveau de réflexion mhm. pour pouvoir, <laughs> en tout cas, pour qu'il y ait plus de réussite. Mhm. Ils ont préféré ramener certaines épreuves. Euh, même du e, aujourd'hui, les, épreuves que j'ai vues de rédaction, un élève, en tout cas du niveau CM2, peut bel et bien répondre, bel et bien, en tout cas, participer à ces examens-là. Mhm. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que tout simplement, nous savons déjà que les, élèves, là, quand vous regardez au public et que vous regardez un, candidat, mhm. en tout cas du privé, vous allez connaître que, voir déjà ici, qu'il y a une nette différence. Mhm. Ce n'est pas parce que je suis en train de lancer un discrédit sur les écoles publiques, mais franchement, <laughs> on constate réellement que le niveau est plus bas dans nos écoles publiques que dans le privé. En tout cas, euh, quand l'État proclame les résultats par euh, la voix des ministères euh, en charge de leur organisation, on constate que les écoles... Les privées, arrivent à avoir des bons taux de réussite. De réussite Et aujourd'hui, selon en tout cas les chiffres officiels qui ont été donc donnés par le ministre en charge de l'éducation nationale, il y a 54% des candidats qui sont dans les écoles publiques tous les autres sont donc soit des candidats libres <coughs> ou des candidats officiels provenant des écoles euh, privées. Mais il faut mhm. regarder, on fait un repêchage jusqu'à 9 de moyenne. 9, mhm. des fois 8 forts pour pouvoir avoir un taux hein, de réussite. Mais là, jusque-là, <laughs> ce sont ces mêmes élèves-là. Mhm. Vous pensez que quand on fait un repêchage pour euh, des enfants qui ont 9, 8, même celui qui arrive à avoir un 10 de moyenne ou 12 de moyenne, mais arrivé au niveau du lycée, il va faire quoi mhm. C'est ça aussi le problème. Mais Mundiado, par rapport aux chiffres, il est annoncé que cette année, il y a quand même une grande progression vers la parité en termes de nombre de candidats il a été dit que nous avons jusqu'à 49,45% des, candidats qui sont mmh, des, filles. Donc c'est pratiquement euh, la moyenne, il y a 50,60 50,55 euh, euh, donc c'est dû mmh. dû en tout cas à l'encouragement mmh. de la la, scolarisation, de, la, jeune, fille, de son maintien à l'école jusqu'à un certain âge, 16 ans ou 17 ans ou 18 ans puisque là, nous sommes en train d'aller vers 18 ans même. Mhm. Donc, 16 ans, je pense qu'à partir de 16 ans, vous êtes déjà en classe de 3e, mhm. ou 14 ans en classe de 3e. Donc, ça veut dire que ça, évolue. Mhm. Les parents prennent conscience que la jeune fille doit aller à l'école et que la jeune fille, on doit la laisser à l'école. Pas aller à l'école, mais la laisser à l'école étudier comme les jeunes garçons. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons ce taux élevé. Mhm. Ça veut dire qu'il faut encourager, de la même manière que euh, nos gouvernants sont en train d'encourager le système de l'éducation de la jeune fille, il faut que nous autres parents aussi, nous épaulons le gouvernement dans ce mhm. sens. Mais il ne faut pas oublier un mais, c'est que cette année, il y a, on devrait dépasser le taux, en tout cas inscrit, puisque à ces examens-là, puisqu'il faut tenir compte aussi des zones d'insécurité. Mhm. Il y a des élèves qui n'ont pas pu mhm. s'inscrire. Il y a également. Il a été dit dans les chiffres, justement, qu'il y a une euh, diminution du nombre de candidats. Cette diminution est de l'ordre de 4 poussières, euh, voilà, donc 4 poussières. Donc il faut tenir mhm. compte certainement que si on Selon le ministre, c'est parce qu'il a évoqué les écoles fermées, mais il a également parlé de l'enseignement technique et la formation professionnelle, qui intéresse de plus en plus les jeunes. Les jeunes, voilà. Mhm. Il y a ça aussi. Il a parlé de tout ça en tout cas. Et je mhm. pense que c'est, comme il l'a dit, c'est vraiment ça qui a un peu regressé le taux d'inscription donc, euh, au niveau donc, du BPC. Et je me dis que peut-être que euh, ça sera également la même chose au niveau du baccalauréat. Mhm. Parce que ceux qui sont dans les zones d'insécurité, il y a ceux qui vont aussi aux examens du baccalauréat et mhm. qui n'auront pas cette chance mhm. de composer. Et en tout cas, le ministère a annoncé des centres d'examen sécurisés spéciaux au niveau de Makalondi et dans d'autres zones hein, où vous savez, pour, il n'est pas permis de composer facilement. Vous, savez, avec l'insécurité, les parents quittent avec leurs enfants. Mm-hmm. Ça veut dire que même si tu es en classe de troisième, pour te récupérer, c'est un problème. Mm-hmm. Parce que tu es obligé de suivre les parents qui sont devenus des transhumains. Mm-hmm. Ça veut dire que de transhumance en mm. transhumance, finalement, il y a une déperdition oui, scolaire. il y a une déperdition scolaire. Qui fait que l'élève n'est même pas là. Et ne peut pas aller dans les centres. Mais c'est ça, il ne peut pas accéder. Mhm. Pour il aller dans les même centres. pas il psychologiquement pas... préparé pour ça. Mhm. Et il y a d'autres qui ne savent même pas que les centres de regroupement là existent. Mhm. Puisque quand tu quittes ta zone, tu vas dans une autre zone. Mais comment est-ce que tu peux savoir qu'il y a un centre de regroupement là-bas C'est ça le gros problème. Aujourd'hui, c'est ça qui fait en sorte, comme je l'ai dit, comme le ministre l'a dit, <laughs> on est arrivé à moins de 4% ou quoi là, mhm. euh, qui, ne sont pas dans l'effectif. Une réduction, Une du nombre de du, nombre de candidats comparativement à l'année passée. Mais nous espérons quand même que cette année, qu'il y ait plus de réussite mhm. et plus de réussite, comme tu viens de le dire à l'instant. Mhm. Nous avons plus de 40, 47 euh, ou 49% de filles et espérons que <laughs> les résultats, les résultats seront également bons et pour le garçon et pour la fille. Et pour les filles également le taux pour les filles, c'est donc 49,45%. Oui. Hussein quelle est votre analyse par rapport à tous ces chiffres, mais également par rapport à l'aspect organisationnel de ce BPC session 2023 mais, Michel, moi, pour moi, on bricole ces années. Toutes mm-hmm. ces années, c'est du bricolage qu'on fait. Mm-hmm. N'est-ce pas Tout à l'heure, les gens ont magnifié la, la, la calmie qui a prévalu au cours de, la rentrée scolaire, bon, il y a eu un semblant d'accalmie, bien évidemment, n'est-ce pas Mais il y a eu quand même quelques troubles. Et quand on voit un peu la baisse de niveau dont on parle, c'est à tous les niveaux, n'est-ce pas Aujourd'hui, on est là à se réjouir du fait qu'il y a tel nombre de filles, tel nombre de machins. L'école est détruite, il faut le dire, haut et fort. Haut et fort. Ceux qui viennent parler de l'école en tant que ministre et tout et tout, c'est juste pour défendre leur pain n'est-ce pas Le système public de l'éducation est détérioré. Aujourd'hui, il y a beaucoup de collèges ruraux qui n'ont pas fonctionné. On ne le vous dit pas. Alors, on a un, des chiffres qui sont présentés. On a créé des collèges dans, dans des zones où les collèges qui n'ont pas fonctionné du tout, par manque d'enseignants souvent ou par manque de moyens, n'est-ce pas mm-hmm. Alors, à partir de ce moment, quand on voit un peu la dégradation de la situation d'année en année, moi, je ne vois pas pourquoi, de quoi se réjouir. Quand tu parles de centres de regroupement scolaire dont on parle là, mais c'est des histoires. Mm. C'est des histoires, ces centres de regroupement là. Ça fonctionne pas. Les centres de regroupement, c'est pendant l'année scolaire. dans, les zones, dans les zones, dans les zones d'insécurité, moi, je suis allé mm-hmm. voir les centres de regroupement, n'est-ce pas mm. Ce n'est pas que quelqu'un est venu me dire. C'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, qu'on vienne se réjouir. On a détruit l'école. Ceux qui sont aujourd'hui aux affaires, ils ont détruit l'école. C'est des peu produits de l'école publique. Mm. Mais aujourd'hui, on a semblant que ça fonctionne, ça un semblant de fonctionnement dans les grandes villes. Mm. Allez-y dans les zones, comment dirais-je, dans les zones euh, rurales pour constater la gravité de la situation. Alors qu'on vient de raconter qu'il y a tel nombre de, candidats qui se présentent, y on a, comme avait dit, on a atteint pratiquement la parité. Non, il faut mettre l'accent sur la qualité. Et la seule façon de revenir à l'école classique qu'on a connue, c'est que ces mêmes gens qui sont en train aujourd'hui de vouloir dire qu'ils sont là pour l'école, ils n'ont qu'à ramener leurs enfants dans ces écoles publiques-là. Quand on aime quelque chose, c'est par là on commence, n'est-ce pas Aujourd'hui, il n'y a pas un seul qui a ses enfants dans ces écoles-là. Alors, quand tu sais que ça n'engage pas <laughs> tes, enfants, alors pourquoi tu vas te tuer S'il y a de l'argent, qui, des, dizaines de milliards qui sont investis dans le système, mais pour quel résultat C'est la question qu'il faut se poser, n'est-ce pas est-ce qu'on se pose aujourd'hui cette question-là Quand on dit, on a fait, oh, bientôt on va faire aussi, comment ça s'appelle, et le, ça sera le bac très bientôt mais ça va être la même chose, n'est-ce pas Ça, c'est par rapport à la qualité de l'éducation de façon générale. on voit bien mm. votre inquiétude, euh, voilà. Euh, oui. Mais qu'en est-il euh, de l'organisation d'examen propres Je ne suis pas dans l'organisation. Mais moi, je suis contre. Je suis contre. Tout mm. à l'heure, Arim a dit quelque chose. Je suis contre qu'on mette des cours étrangers dans l'organisation. On est tombé très bas. Mm. Très, très, très bas. Et c'est ces dernières années. Et qui sont à l'origine de ces fraudes-là est-ce que c'est le pauvre paysan qui est au village là Est-ce que c'est le pauvre, la pauvre paysanne qui, qui, est au village C'est les mêmes gens qui sont dans le système, c'est eux qui organisent cette affaire-là. Mais est-ce qu'on peut, est qu'on peut espérer des examens propres cette année à partir euh, des bien mais quand on fait venir, quand on fait venir déjà avec gilet au main mmh. euh, euh, machin, comment, on appelle ça, avec qui rentrent dans les salles pour regarder, sans compter aussi les forces de l'ordre qui sont là. Imaginez la psychologie de l'enfant, c'est que ça peut euh, impacter. Il y en a, ça les déconcentre, karma, c'est tout ça là. C'est des paramètres qui interviennent. Et moi, je dis, il n'y a pas de presse dedans. Il n'y a aucune presse qu'on mette un corps étranger pour surveiller des enfants, pour empêcher la fraude. On n'a qu'à, n'a qu'à s'attaquer à ce sur quoi on l'attend, n'est-ce pas les histoires de détournement d'énigmes publics et autres, ça, c'est des choses, les choses les plus importantes. On dit il faut surveiller les enfants. Mais ces enfants, on va les surveiller, on va, ils vont grandir. Quand ils vont voir ce que leurs parents sont en train de faire, ils vont faire la même chose, mm. n'est-ce pas C'est que la société est totalement pourrie, n'est-ce pas la corruption, c'est à tous les niveaux, mais, dans le domaine de l'éducation particulièrement. Mais c'est arrivé quand Dans le domaine de l'éducation, Arimi a dit tout à l'heure quelque chose. Nous, on ne savait pas à l'époque, là, c'est quoi fuite. Mm. Non. Il n'y avait pas de fuite parce que tout simplement, chacun s'y met. Dès le départ, mm. tu sais qu'il y a quelque chose qui t'attend à la fin de l'année. Mm. Même si tu échoues, c'est que tu t'es déployé, tu as fait beaucoup d'efforts et ça arrive. Le ministre a parlé également des faux transferts, entre guillemets. Il dit qu'ils ont pu mettre fin à ça. Et ça oui, les faux transferts. Alors, euh, alors, tout ça, moi, j'ai dit c'est des faux problèmes, c'est des faux débats. Moi, j'ai dit c'est des faux débats. Non, mhm. non, non, non. Je suis... Imaginez les zones où il n'y a pas d'école privée. Alors, l'enfant, il, finit. Il, Est-ce qu'on doit le laisser dans la rue Il n'y a pas d'école privée. Mhm. Non, il faut qu'on arrête ces choses-là. Mhm. Moi, j'ai dit, si on peut permettre ces choses-là. C'est trop facile de se rabattre sur les enfants pour dire les pas. Mais non, c'est vrai que c'est pas normal. C'est pas normal. Mais qu'ils prennent de l'argent pour faire. Puisque l'État n'a pas prévu un mécanisme en fait euh, pour pouvoir maintenir euh, dans le système éducatif les enfants qui ont des faibles rendements scolaires, mais qui n'ont pas les moyens pour être inscrits ailleurs, dans des écoles privées. C'est ça, le, cela. le souci. Malheureusement, comme le mécanisme n'est pas prévu, les, les, enseignants, comme ils connaissent euh, comment ça se passe, ils envoient l'enfant un peu loin, ils lui changent un peu euh, les le bulletin ou quelque chose comme ça, ils le réinscrivent dans une autre école. Mais là, c'est des pots le de pire, c'est qu'ils prennent faut prendre de le dessous de table qu'ils prennent. Je crois que c'est le plus grave. C'est le plus grave. Pas Mais sinon, en soi, en soi Sinon, en c'est une discrimination. ce n'est pas mauvais, mais c'est le, mécanisme. Le mécanisme mm. sinon, mm. Mm-hmm. Euh, tu as un peu d'argent. Ton enfant est renvoyé de l'école publique. Mm. Tu peux lui payer pendant 10 ans le brevet. Ce n'est pas un problème. Mais l'enfant moi, je pense que celui qui accepte assez qu'on transfère de son enfant mm. d'une école à une autre, mm. moyennant même un mm. euh, table, c'est qu'il n'a pas les moyens de payer une année normale à son enfant. Sinon, pourquoi il le ferait Et donc, vraiment, il faut prendre le problème dans sa globalité et d'essayer. Parce que c'est nos enfants, dans tous les cas, qui vont se retrouver mm. dans la rue. Ce n'est pas l'enfant mm. de, quelqu'un, c'est les mm-hmm. Nigériens comme tout le mm. monde. Nous allons donc euh, tourner la page par rapport à, euh, à ce sujet. Rappelons tout simplement que les épreuves écrites de la session 2023 du baccalauréat vont également être lancées le lundi 19 euh, juin prochain sur l'ensemble du territoire national. Nous avons environ 93 000 candidats inscrits pour euh, euh, ces épreuves donc, euh, qui démarrent lundi prochain sur l'ensemble du territoire national. Bonne chance donc à tous les candidats aux différents examens de fin d'année sur l'ensemble du pays. Et nous passons à présent au deuxième sujet du forum de la presse de ce soir, l'acheminement des pèlerins en terre sainte de l'islam pour le Hajj 2023 se poursuit avec les trois compagnies aériennes retenues pour le convoyage. Il s'agit des compagnies Maxair, Ethiopian Airlines et Flynas. Dans un point de presse en date du 13 juin, le commissariat à l'organisation du Hajj de la Umrah, Koho, a indiqué que ce transport des pèlerins se déroule normalement. Le Koho souligne cependant que 1399 personnes sur les 15 891 prévus dans le quota du Niger à ce Hajj 2023 risquent de ne pas pouvoir euh, accomplir euh, le Hajj par manque de visa. Mais Mundiado, de quoi s'agit-il euh, concrètement C'est quoi le problème mais le problème, tu viens de souligner à l'instant, c'est que c'est manque de visa qui va faire en sorte que les 1000 et quelques pèlerins, 1399 pèlerins ne pourront pas euh, effectuer le Hajj de cette année 2023. Mm. Donc, euh, on l'a déjà décrit ici, la mauvaise organisation. Mm. Euh, du Hajj, non pas le Hajj de cette année, mais même le Hajj de l'année passée, comment les choses se sont passées. Mm. Et nous, l'avons, nous avons attiré leur attention par rapport à ça, parce qu'il ne s'agit pas d'inscrire, de faire inscrire ces, ces pèlerins-là, mm. et que euh, au finish, on se retrouve encore avec d'autres qui n'ont pas pu, qui ne pourront pas effectuer, et on ne sait même pas si ceux de l'année passée qui ont payé pourront également ou bien feront également partie de ces mille et quelques pèlerins qui n'iront pas, euh, euh, en tout cas euh, pour les rites du Hajj. Et là, le COHO a expliqué que c'est surtout venant, c'est au niveau donc des agences mhm. que le problème se pose. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont versé l'argent, ils ont fait le nécessaire. À travers la BESIC Oui, pour, les prestations. Donc, euh, selon le Coro, c'est les agences qui n'ont pas honoré leur engagement vis-à-vis des prestataires. Voilà, voilà. Mhm. mais maintenant, il faut attendre également la réaction Mm. de ces agences-là, parce que je suis sûr qu'il y aura réaction mm. aussi. Oui, parce que jusque-là, c'est une version, la <laughs> C'est une seule version que nous avons. De l'autorité, on peut dire, en charge de l'organisation Donc, nous n'avons pas entendu jusque-là mm-hmm. les chefs d'agence réagir par rapport à ça. Et certainement qu'ils vont le faire. Mm-hmm. C'est là où nous pourrons savoir clairement qu'est-ce qui se passe. Mm-hmm. Parce que qu'on dise qu'à chaque fois au Niger, qu'il y a des pèlerins qui, qui, ne peuvent pas, en tout cas, euh, faire ce déplacement-là, et qui ont misé durant des années. Ils, sont là, ils veulent aller, ils ne peuvent pas aller. Mhm. Et on nous parle de visa, on nous parle rien que, même hier, il n'y a, pas, il n'y a pas que le problème de visa de hein. mhm. Il n'y a pas que le problème de visa, il y a le problème de transport aussi, il faut se dire la vérité. Mhm. Parce que, <laughs> oui, oui. Selon, en tout cas, le commissaire à l'organisation du Hajj, pour le moment, tout se déroule normalement. En tout cas, nous, ce que nous entendons, mhm. ou ce que nous voyons, ou ce que nous parcourons sur euh, les images qui nous proviennent, rien que hier, c'était un problème technique qui a fait en sorte que de l'avion de Max Air qui a fait en sorte que les pèlerins n'ont pas pu décoller à temps. Mhm. Ça, c'est vérifié puisque nous avons vu les images. Mhm et ça a fait le tour des réseaux sociaux. Mm. C'est vous dire que... Bon, souvent, ils constatent que c'est des manquements, ça arrive. Parce des manquements mhm. où, vous embarquez. Mais c'est quand vous le faites, est reporté que vous faites, ça J'arrive. Mhm. Ça, là, vous dites, vous faites embarquer des pèlerins dans l'avion. Mhm. Et après, vous dites qu'il y a problème technique. Et le problème technique, c'est problème d'électricité. Mais il fallait vérifier l'avion avant de faire monter ces pèlerins, au moins dans l'avion, parce que tout doit être vérifié. Mais si on parle de problèmes techniques déjà au sol, mhm. mais imaginez si c'était quelque chose qui était <laughs> dans l'air, mais, ça allait se finir quoi Mais c'est ça. Donc ça veut dire qu'il faut prévoir. Et puis moi, moi je n'ai même pas confiance à Max Finalement, je te dis ça. C'est une compagnie, elle a été choisie. Non, j'ai pas confiance. On n'a pas fait de la publicité pour des compagnies. Non, pas publicité. Parce que nous avons décrié, nous avons décrié cette situation. Nous avons décrié cette situation-là. Nous avons dit que le transport, là, c'est vrai, il faut diversifier. On a diversifié, on a pu prendre deux autres mhm. compagnies. Et est-ce que tu entends les deux autres compagnies des problèmes là-dedans mhm. ah, Il faut se dire clairement les choses. Ça veut dire quoi On nous parle de problèmes techniques, mais quand tu veux rentrer dans ta voiture, c'est ta voiture, tu dois vérifier tout avant de quitter. Mhm. Mais tu ne peux pas mettre, faire monter des pèlerins dans l'avion 2 heures du matin, et après tu viens, tu dis, c'est problème technique, et le problème technique, c'est encore plus dangereux puisqu'on parle d'électricité. Merci Mamoun vous avez bien compris. C'est vrai, c'est des désagréments quand des pèlerins attendent des heures alors que le, le vol en question est produit, en réalité partir euh, des heures plus tôt. Hussein ça, quelle analyse par rapport à euh, au point actuel euh, de ce convoyage des pèlerins nigériens en terre ah, les problèmes sont là. Mhm. Il y a mille et quelques, vous verrez, les dire qu'ils ne vont pas. Mhm. pas qu'ils ne vont pas, parce que le COHO, en tout cas, demande aux agences de créer les conditions. mais non, mais pour signer les contrats avec. Euh, alors c'est fermé, c'est fermé, c'est mhm. fermé l'obtention du visa, c'est terminé, je crois. Mm, selon pas? lui, c'est pas hein? terminé. C'est en cours. Hein. Dans le point de presse, il n'a pas dit la date. C'est hier, il y a eu le point de presse, n'est-ce mhm. pas C'est hier. Aujourd'hui, nous sommes le combien C'était le 13, en fait. Ok. Alors, si ça n'a pas été réglé en amont, mhm. alors, quand est-ce mhm. qu'il va régler le problème de ces mille et quelques personnes pour qu'ils puissent, d'ici le 17 Non, il faut. Parce qu'il faut, avoir les contrats de prestation. Sans ça, il n'y a pas le visa. Il y a des problèmes. Et il y a le problème de transport aussi qui se pose avec toujours ce même avionneur là. Quand tu dis c'est problème technique, mais on te dit l'avion, il n'y a pas d'électricité dedans. Rentre. Hein? Même la, la, le, le, comment on appelle ça, comment on appelle ça, le refroidissement intérieur, il n'y a pas. De 19h, on vous fait monter dans un avion jusqu'à 2h du matin pour vous dire qu'il n'y a pas d'énergie. Mais alors, ça va décoller comment Bon, ça monte un peu. Oui, heureusement. heureusement. Ça montre tout simplement un peu comme un peu de, euh, de, mhm. comment vais-je dire, de, pas de sérieux, on, fait une espèce de favoritisme. Cette compagnie, d'une année à l'autre, elle elle a montré ses limites d'une année à l'autre. L'année dernière, je crois, c'est même un, autre prestataire qui est venu à la dernière minute pour pouvoir sauver. Il y a des pèlerins qui n'étaient pas partis. Mais alors, mais quand ils ont été priorisés cette année. Mm. Mais alors, pourquoi on va continuer à travailler avec quelqu'un dont on n'est pas tellement sûr mm. C'est quelque chose qu'on doit, parce que c'est quelque chose qui doit être millimétré. Mm. Si la personne a montré ses devances, il faut mettre ça de, il faut mettre de côté. Merci, Arimia Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire euh, pour qu'il n'y ait pas de manquement grave par rapport à l'organisation de ce Hajj 2023 euh, ah, Il faut faire actuellement. Euh, mhm. Puisque les compagnies sont retenues, en fait. Oui, hein. il, faut, parler de. C'est Max qui est déjà au niveau de son sixième vol. Mhm. Mhm. À mon avis, il faut parler du Hajj prochain. Et moi, à mon avis, c'est incompréhensible qu'au 21e siècle, juin 2023, que de tels problèmes se posent au niveau de l'organisation d'un voyage. Parce que c'est un voyage, n'est-ce pas Et toute l'année, toute l'année, le Coho, ils sont là en permanence. Mm. Les Jazanges sont déjà, ils ont lancé euh, le, recrutement pour l'année prochaine. Mm. Ils sont là pour toute l'année. Aujourd'hui, nous tous, on voyage. Mhm. Hein, nous avons le privilège de voyager en avion. Mhm. On sait qu'il y a des, billets d'avion qu'on reçoit trois mois mhm. à l'avance. Parce que ça coûte, dans ce cas, moins cher, n'est-ce pas Et le moment venu, tu n'as aucun problème pour avoir la place dans le voyage. Maintenant que c'est les vacances, il y en a qui ont par exemple déjà euh, réservé leur, euh, leur voyage d'août pendant qu'on est encore en juin, sinon ils l'ont fait à main. Mais maintenant, c'est possible pour les vols réguliers. C'est un marché qui est là, mhm. n'est-ce pas Le Niger a tout à fait le droit. On sait le nombre de places qu'on donne au Niger chaque année, n'est-ce pas Sur cette base-là, de lancer le marché et les avionneurs vraiment de qualité viennent postuler et celui qui va remplir les conditions, on le prend. Maintenant, cette année, on doit sanctionner celui qui, commet ces erreurs-là. Mhm. Au e siècle, les gens sont assis à la maison, leurs valises attachées. Ils ne savent même pas s'ils vont partir aujourd'hui ou pas. Quelqu'un m'a dit que euh, sa cousine, on l'a appelé à 21h pour dire Ah, venez, l'avion est là. Mais ce n'est pas Wadata. Alors qu'il paye. S'il vous plaît. Mhm. Hein? Ça, c'est un. Deux, quelqu'un m'a expliqué le mode d'établissement du, de, coût de, ce voyage-là. Mhm. On facture environ 40, 45 jours pour le, pour le, pour le pèlerin. Le séjour. Le séjour. à 40, il, avoir une bonne marge pour ne pas se tromper. Parce que si le pèlerin arrive là-bas, et que c'est comme mhm. on doit le restituer. On doit le restituer. Il y en a maintenant qui vont partir à moins de 10 jours de la fête. Et le séjour est réduit. Le, séjour donc est réduit de 35%, mhm. de, de, 35 jours, n'est-ce pas Et il n'y a aucun moyen de le rembourser. N'est-ce pas Ils ont payé 3 millions. Oui, les frais d'hôtel et tout et tout. On doit pouvoir. Ça dépend du nombre. Mais, ce n'est pas de la loterie. Mhm. C'est concret. Mhm. Le gars, il est parti. Tu n'as pas pu l'amener à temps. Mhm. le restant de son argent, tu dois le restituer. Il ne fait pas ça pour toi. Il fait lui-même, c'est son, son, obligation religieuse qu'il essaie d'accomplir. N'est-ce pas Et tu ne sais pas que les gens ont élevé des moutons pendant des années pour pouvoir vendre et aller à la mer Mais normalement, le coho est là pour ça. Mais justement, justement, c'est ce que j'ai dit. Qu'il y a une mauvaise organisation, une mauvaise prise en compte des, des, intérêts des voyageurs, alors que c'est pour eux qu'on fait dans, cette affaire-là. Le coho doit pouvoir imaginer mhm. euh, que le gars, il a payé, n'est-ce pas Tu l'as amené pour une semaine alors qu'il a payé pour 45 jours, mais il faut le restituer, lui restituer son argent. Plus personne ne fera là euh, ça. Moi, j'ai même l'impression que cette compagnie de voyage se contente d'abord de, transporter dans des pays où il y a plus de voyageurs que chez nous, n'est-ce pas et tout simplement, comme il n'a aucune pression ici, il vient, il fait les choses à temps voulu. Mais sincèrement, c'est très mal fait. Jusque-là, c'est très mal fait. Et j'espère que ça ne va a bien compris ce que vous souhaitez à l'endroit donc euh, du COHO, c'est hein? ainsi que tous les autres acteurs impliqués, hein. c'est une meilleure euh, organisation, qu'il y ait donc de l'amélioration, on vous a bien compris. Nous terminons le forum de la presse de ce soir avec euh, du sport grâce à sa victoire samedi dernier au tir au but face à l'AS Douane au stade Général Sénécounché. L'association sportive de la garde nationale du Niger, l'AS Garde nationale, a remporté la finale de la 48e édition de la Coupe nationale de football du Niger. En plus du trophée, L'équipe a reçu une enveloppe de 20 millions de francs CFA. Cette euh, finale euh, s'est déroulée en présence euh, du président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum. Memoun que faut-il retenir de cette finale de samedi dernier Bon, je ne suis pas trop fan du ballon rond. Mmh. Mais je sais que c'est pas la première fois mhm. que, en tout cas, euh, l'équipe euh, de la garde nationale mhm. remporte euh, la Coupe nationale. C'est la troisième fois. C'est la troisième fois, mhm. vous l'avez dit. en quatre 2008 et enfin 2023. Oui, donc c'est vraiment un exploit au niveau donc, de cette équipe c'est qu'il faut les encourager davantage. Mm. Et l'AS Douane aussi euh, n'a pas démérité, mm-hmm. puisque je me rappelle aussi qu'à chaque fois, l'AS Douane est positionnée mm-hmm. euh, dans ces compétitions-là. Mm-hmm. Donc l'un dans l'autre, c'est vraiment de les encourager. nous avons des étoiles montantes, en tout cas, qui peuvent faire la différence, pourquoi pas, dans d'autres pays. Et c'est que euh, il faut également euh, préciser que euh, la présence du président de la République aussi est, à féliciter, c'est vrai, parce que c'est le, le tournoi. Il a pris l'habitude maintenant. oui, il a pris l'habitude et, <laughs> la manière dont il était même habillé. <laughs> C'était quand même bien. Il mhm. était vraiment relax. Il n'était pas un boubou. Il n'était pas un boubou. Il a, il a laissé avec... Euh, son, grand boubou. Il mhm. est devenu vraiment un, footballeur aussi. Hein, parce qu'il s'amusait aussi euh, <laughs> à faire euh, un tir, le premier tir. Mhm. Et c'était bien. Ça fait le tour, en tout cas, des réseaux sociaux. Sa photo a fait le buzz. Quand <laughs> on voit un chef d'État ah, s'habiller comme le citoyen lambda. Voilà. Mhm. Donc il était vraiment, il était vraiment à l'aise au stade comme parce était joueur aussi. <laughs> C'est ça, je disais, il se plaisait, mhm. se plaisait vraiment à être euh, parmi euh, cette foule-là, mhm. parmi vraiment, c'est pour pouvoir encourager les, joueurs-là. Mhm. Et c'est très bien. C'est mhm. très bien. C'est très bien, merci beaucoup. Il faut rappeler qu'au terme de cette compétition, le chef de l'État, Mohamed Bazoum, a remis officiellement le drapeau du Niger à l'équipe U23 euh, qui doit défendre les couleurs nationales à la prochaine Cannes U23. La compétition est prévue se dérouler du 24 juin au 8 juillet prochain au Maroc. Euh, il faut signaler que le MENA U23 séjourne euh, d'ailleurs euh, en ce moment au Maroc. Il s'agit donc d'une période d'acclimatation qui permet donc euh, de pouvoir voir un peu l'environnement dans lequel euh, les matchs vont être joués. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter C'est une bonne chose. Moi, c'est du 23, moi, je souhaite qu'il gagne. Je mhm. souhaite qu'il gagne. La dernière fois, quand on était dans la compétition, c'était laquelle de compétition On est allé, mhm. on allait, on allait très loin. Mhm. je souhaite que cette fois-ci également, qu'on puisse aller encore plus loin. Mhm. C'est tout ce que je peux dire. Mhm. Euh, je ne peux pas dire autre chose. Et j'espère que bon, l'acclimatation qu'ils sont en train de faire, ça va leur permettre de, de, de comprendre non seulement le terrain, mhm. le terrain sur lequel ils vont jouer, mais également aussi le climat, n'est-ce pas parce que souvent, ça, ça, ça joue quand vous n'êtes pas habitué à un climat et mhm. que vous vous retrouvez dans un environnement il fait très froid. Mhm. c'est Ce n'est pas tellement évident. Mhm. J'espère que c'est dans ce sens-là qu'ils sont allés, qu'on les a amenés pour qu'ils s'acclimatent. Merci beaucoup. Abokiari, Arimi, est-ce que le MENA U23 a actuellement le dynamisme qu'il le faut pour pouvoir aller loin dans cette euh, compétition qui débute euh, le 24 juin prochain Merci. Euh, lors de leur qualification, euh, après avoir éliminé le Soudan, la mhm. Côte d'Ivoire, on avait dit que peut-être que nous avons une euh, génération dorée. Mhm. on s'en tient à ça. seulement, on va évoluer dans un groupe relativement difficile mhm. avec le Mali, l'Égypte et le Gabon. vous savez, le, euh, la Cannes U23, c'est une nouvelle compétition de la Cannes, euh, de la CAF, et on est seulement à sa quatrième édition actuellement. Et donc, euh, les quatre qualifiés vont aller aux Jeux Olympiques à Paris. Mhm. Euh, avant, on les appelait. Voilà, tout à fait. 2024. 24, hein. ouais, voilà. été 2024. Voilà. Et comme mm. vous le savez, c'est ça, ce sont les équipes U23 là qu'on appelait mm-hmm. à l'époque les équipes euh, olympiques. Mm-hmm. Donc, justement, la la CAF a décidé de préparer mieux les équipes mm-hmm. africaines qui vont y prendre part parce que les équipes africaines qui se sont jusque-là très bien comportées. Euh, le Nigeria l'a déjà remporté, si vous vous rappelez. Le Cameroun l'a fait aussi. Et donc peut-être que nous, on va se qualifier à cette compétition seulement après avoir surclassé le Mali, mm. euh, qui est un des footballs euh, vraiment en évolution, mm. à part le Sénégal, euh, le Maroc. Il faut nécessairement parler du, du Mali et, du Burkina. Donc nous, sommes contre le, nous allons jouer contre le Mali. En premier lieu, on va jouer contre l'Égypte. Mm-hmm. Euh, l'Égypte, qui, vous savez, depuis qu'on les a gagnés une fois ici, ils se méfient beaucoup de nous. Mm. Et quand on les a gagnés pour euh, nous rendre la monnaie, euh, ils nous ont joué justement, ils ont fait jouer leur équipe Espoir qui nous a gagné, si j'ai bonne mémoire, 4-1 au retour du, match du 1er octobre 2010. Mm. Donc, c'est extrêmement difficile, mais je sais que nous avons une équipe U23 très compétitive n'est-ce pas, l'acclimatation est là pour encore arranger les choses. Et j'espère que euh, on va se comporter parce que il n'y a que huit équipes. Donc peut-être que si on sort, du, dès que tu sors le, dans, du, sort du, lot euh, du, du, lot du groupe, ça veut dire que tu es qualifié pour euh, la phase finale aussi des Jeux Olympiques. Donc, Il faut donc souhaiter bonne chance euh, au MENA U23. Un mot par rapport aux éliminatoires de la Cannes 2024, puisque c'est une autre compétition importante. Il y a déjà la Tanzanie, qui joue euh, justement contre le MENA. Ce sera, dimanche, prochain, dans l'après-midi. on est pour l'instant dernier du groupe, mhm. mais si on gagne, on sera deuxième du groupe. Mhm. Mais seulement la, Tanzanie aussi, c'est un des footballs vraiment en pleine évolution. Mhm. Euh, sur le continent. Mhm. Vous avez vu leur équipe, euh, leur club était déjà en compétition euh, africaine jusqu'en phase jusqu'à la finale. Mhm. et beaucoup de joueurs de cette équipe-là vont certainement faire partie, mais aussi ils ont beaucoup de professionnels, contrairement à nous, qui mhm. essayons de mettre en place une équipe nationale compétitive aussi. En fait, l'environnement est difficile, mais on n'a pas d'autres compétitions, on n'a pas d'autres équipes nationales, on doit lutter, se battre. L'équipe est partie hier et on doit pouvoir se battre euh, pour pouvoir se maintenir. Si on ne se qualifie pas, cette fois, au moins qu'on sache qu'on a de grosses chances pour la, euh, la canne à venir. Mhm. Merci beaucoup. Bien, voulu être Le temps qui nous a imparti est à son terme. Merci beaucoup. Et nous sommes au terme de ce forum de la presse. Nous disons merci à nos invités. Abokiari Arimi, journaliste à la radio alternative, Maïmou journaliste euh, indépendante, et Hussein Issa journaliste indépendant également à la modération de ce forum de la presse. Je suis Michel Deji, j'ai été assisté par une équipe technique euh, composée de Amina Hassan et Seini Saka. Merci de nous avoir suivis. Agrab soirée à toutes et à tous et bon week-end. Au revoir.